forum distribué le forum distribué le forum distribué le forum distribué le forum distribué le forum distribué le forum distribué le forum distribué le forum Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h15. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalango au micro Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalango sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Berningaoui, Chirozérine, Magaria, Menesoroa, Damaske, Bouza, Dolpel et Saï. Le forum de ce jour à la une, Gambie. Le président sortant Yaya Djamé, dont le mandat a expiré hier à partir de minuit, refuse de céder le pouvoir au président élu Adama Barrow. Des troupes ouest-africaines se tiennent prêtes à intervenir en cas d'échec de négociation. Sur les conséquences d'une telle initiative, vous suivrez l'analyse du professeur euh, et de l'historien Ado Mahaman, également recteur de l'université de Tawa comment parler de la question de la migration sans tomber dans les lieux communs C'est la question à laquelle tente de répondre la Maison de la Presse. La Maison de la Presse organise un atelier sur cette question pour mieux édifier et sensibiliser les journalistes nigériens. Vous suivrez Ibrahim Haruna, président de la Maison de la Presse. Et puis, la Maison de l'entreprise s'adresse, elle, aux jeunes scolarisés de 18 à 35 ans. Elle organise une compétition des plans d'affaires. Les intéressés ont jusqu'au 26 janvier pour déposer leur dossier. Tous les jeunes du Niger peuvent participer. Pour mieux en savoir, vous suivrez le directeur des opérations de la maison de la presse, de, l'entreprise, pardon, euh, vers la fin de cette édition. Mais avant cela, nous, avons en direct euh, dans ce studio un invité. Il s'agit de M. Souli Abdoulaye, qui est économiste. Euh, Monsieur Souli, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Je vous remercie. Vous êtes là pour euh, nous accompagner, pour, nous, pour qu'on puisse parler de, monnaie, principalement le franc CFA. Alors merci beaucoup d'être là. Euh, on va aller directement, euh, quand on parle de monnaie, comment faut-il pour un pays Quelle est son importance pour un pays comme le Niger, par exemple En ce temps du XXIe siècle Bon, la monnaie, d'abord, c'est un moyen, n'est-ce pas, qui permet de faire des échanges dans une économie, n'est-ce pas Vous produisez des biens, des services, vous les monnayez avec de l'argent. Donc c'est pour cela, ces deux éléments qui sont intimement liés. L'économie réelle, donc euh, l'économie qui fabrique des biens et des services, et l'économie monétaire, donc qui se charge de la production de la monnaie. C'est pour cela qu'il doit y avoir un équilibre entre ces deux parties pour qu'il n'y ait pas de l'inflation. Entre ce que vous produisez et la monnaie qui circule dans votre économie. qui, circule dans votre. Voilà. Euh, je pose cette question parce que dans le temps, on ne parlait pas de monnaie. Dans nos pays, par exemple, euh, c'était le troc. Oui. Le troc aussi, c'est une, une, forme d'échange euh, avec de la monnaie rudimentaire. Parce que vous, vous, ne prenez pas euh, autant du troc. Vous, vous donnez par exemple 10 000, on vous donne du sorgho. Mais vous ne donnez pas 10 000 pour qu'on vous donne 10 000. Donc, le sorgho qu'on